le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine, essentiellement marqué par L'an 60 de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 1958. À l'occasion de cet anniversaire, le président de la République a prononcé son traditionnel message au peuple avant de se rendre à Zander pour le défilé civil et militaire en présence des trois de ses homologues invités pour la circonstance. Pour analyser ce grand événement, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara dit Abba de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, journaliste indépendant. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Nous attendons d'un moment à l'autre Garé Amadou du journal euh, du quotidien La Nation. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Commençons, chers invités, à décortiquer, le discours du président de la République, Issoufou Mahamadou, diffusé lundi soir. Au plan sécuritaire, le président a déclaré que le combat contre les forces du mal va se poursuivre avec fermeté jusqu'à la victoire finale. Écoutons l'extrait. Je pense euh, à ces victimes d'enlèvement, notamment dans la région de Difa. Je pense euh, à toutes ces victimes civiles et militaires pour honorer et immortaliser la mémoire de nos soldats tombés au front. Nous avons décidé de leur dédier un mémorial afin de perpétuer leur souvenir. Cet hommage viendra s'ajouter à celui que nous leur rendons en poursuivant avec fermeté le combat contre les forces du mal jusqu'à la victoire finale. Oui, la lutte euh, c'est dans cette perspective que les chefs d'État des pays du bassin du lac Tchad se sont réunis à N'Djamena le 29 novembre et à Abuja le 15 décembre 2018 pour adopter de nouvelles stratégies afin de mieux combattre Boko Haram. De même, au niveau du G5 Sahel, actuellement sous présidence nigérienne, nous nous sommes efforcés de mobiliser à la fois les ressources financières nécessaires pour rendre opérationnelle la force conjointe et pour réaliser des actions de développement. Hassan Boukara, un ou deux jours avec euh, ce message du président de la République, la société civile à Tilabiri, tout comme à Difa, a demandé euh, plus de protection pour les populations respectives de ces régions et la levée de l'état d'urgence qui bloquerait bien d'activités vitales. Selon vous, le président devrait-il répondre à ces préoccupations soulevées oui, peut-être, <clears throat> puisque euh, ces réactions traduisent euh, le sentiment qu'on retrouve euh, beaucoup au sein des populations dans ces deux régions, en particulier la région de Difa où j'étais il y a quelques, quelques temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations sur l'efficacité des mesures qui sont prises dans la lutte contre euh, Boko Haram dans la région de Dufa. Euh, je pense que quelquefois, les gens ont l'impression que le prix à payer est très lourd. C'est vrai que le gouvernement... Vous pensez que euh, ces mesures doivent être allégées Oui, en fonction, en fonction de l'évolution de la question de la sécurité. Mais, mais je veux dire, au fond, la question, c'est la question de l'efficacité de ces mesures. Euh, rappelons quand même que ça fait des années. À Tilabiri, peut-être que ça a commencé, maintenant ça fait quelques mois, mais à fois ça fait des années que ces mesures-là sont imposées. Il n'y a presque pas d'activité, presque tout est bloqué pour les personnes qui sont victimes, en particulier les personnes qui vivaient euh, dans les lits de la Tchad, le long de la Comadougou. Ces personnes sont. Euh, les mesures bloquent toute activité économique pour ces personnes-là. Au sein d'une ville, ville comme Difa, les gens vivent les conséquences de, l'état d'urgence. Mais en même temps, les attaques se font. Et donc, du coup, les gens pensent que ces mesures sont prises et il y a les attaques. C'est comme si elles sont doublement pénalisées. Alors, la question aujourd'hui, c'est de dire si les mesures prises n'empêchent pas les attaques, et bien, peut-être qu'il faut les alléger et réfléchir à d'autres stratégies dans la lutte contre ces groupes. Euh, quel, genre de stratégie, par exemple, selon vous Mais en tout cas, je me dis, il faut bien que le gouvernement évalue la stratégie actuelle. Dès lors qu'elle ne porte pas, il faut changer. Il faut changer. Là, le président, par exemple, quand vous l'écoutez, il annonce que la lutte va continuer. Il avait déjà dit que le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Et donc, ce type d'affirmation, on l'a déjà entendu. Mais on ne voit pas encore euh, l'efficacité des mesures qui sont prises jusqu'à présent. Beaucoup d'argent y est passé, beaucoup de vies humaines ont été sacrifiées dans ce pays, mais en même temps, on ne voit pas l'efficacité, on ne voit pas aussi, euh, on l'avait déjà dit, je crois, sur cette antenne une fois, il n'y a pas de lisibilité sur les politiques gouvernementales. Et du coup, les jeunes qui font partie des victimes, si je prends le cas des fois, les jeunes, ce sont eux qui vivent de kabou-kabou, ce sont eux qui vivent d'autres activités, mais l'état d'urgence remet tout cela en cause. Et donc, après avoir passé des années parce que euh, je pense que certains ne pensaient pas qu'on allait passer tout ce temps-là sans qu'il n'y ait d'éclaircie dans la lutte contre Boko Haram. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses s'aggravent au vu des derniers événements dans la région de Difa, avec la multiplication des enlèvements, des interventions de Boko Haram. Et donc, du coup, les gens pensent que peut-être qu'il faut arrêter de les pénaliser doublement, il faut alléger ces mesures. Euh, dès lors qu'elle euh, n'empêche pas les attaques et peut-être euh, réfléchir à des nouvelles formes de lutte contre Boko Haram, en tout cas prendre des mesures qui sont moins pénalisantes pour les populations locales. Rufai Dendoua, les syndicats des enseignants et des agents de santé n'étaient pas contents que le président de la République passe sous silence leurs préoccupations. Comment l'expliquer euh, <clears throat> j'aimerais d'abord revenir euh, pour abonder dans le même sens que Abba. Je veux vraiment qu'il y ait plus, plus de pragmatisme dans, dans, la gestion de cette euh, histoire de, de, Boko Haram. Ça peut être juste de la symbolique, mais le fait, par exemple, de voir le président sur place à Difa montrer l'exemple, comme par exemple, le fait Bouhari, même s'il ne va, pas, va pas prendre euh, euh, une arme ou un fusil pour faire quelque chose, mais ça, ça fait quelque chose, ça, ça, rassure. Le, président débile fait. <coughs> Ça rassure les gens qui sont sur place pour, pour dire que, ah, voilà le président, qui se soucient de ce qui se passe et qui se déplacent pour venir nous voir, pour venir annoncer, par exemple, ce qui va être fait. C'est vrai de faire le discours un 18 décembre ou un 3 août, c'est important. Mais comme l'a dit Abba, on, a l'habitude d'entendre ça. Le président l'avait dit, le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Je pense que déjà, il faut, être, il faut qu'il y ait plus de pragmatisme. <clears throat> Maintenant, pour revenir à votre question euh, sur, les, sur les enseignants. Les, enseignants et les agents de santé euh, Ça veut tout simplement dire que euh, pour cette année, ce n'est pas la priorité pour, pour le, le, président. Si un président fait un message à la nation, et, essaie de voir avec son, son, cabinet, avec ses techniciens, quelles sont les priorités du moment. Donc, si le président n'a pas évoqué ce dossier, c'est que pour l'heure, à l'heure actuelle, au moment où il a fait son discours, ce n'est pas une priorité. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité sur, euh, le mandat. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour ce n'est pas une priorité. <clears throat> Quand vous avez suivi le discours au début, c'était, il avait parlé du 18 décembre à Zender, il avait fait l'historique de Zender. Il est revenu pour dire que ça va se passer à Tilaberi l'année prochaine. Et, voilà, maintenant, elle a <clears throat> évoqué les aspects sécuritaires. Je pense que pour euh, le régime, et ça se voit sur le terrain, que l'éducation, pour le moment, ce n'est pas une priorité. Donc, la préoccupation des syndicats euh, de l'éducation et les agents de santé euh, est fondée Bien sûr que c'est fondé. en plus, j'ai vu, j'ai lu quelque part que, le, euh, par le, syndicat des enseignants de contractuels a signé un accord avec euh, le régime. Ça veut dire que même si dans le discours ça n'a pas été évoqué, quelque part, les gens qui sont en train de négocier pour qu'il y ait des, des, négociations, pour qu'il y ait des accords entre euh, le gouvernement et les syndicats, ça s'est passé, c'est un mieux pour eux. Ça veut dire que toutes les parties ont ce qu'elles veulent. Mais je pense que je crois que ce n'est pas une priorité à l'heure actuelle pour le gouvernement. J'informe nos auditeurs que Gary Amadou vient de nous rejoindre dans ce studio. Gary Amadou, quelle lecture faites-vous de la déclaration du président de la République euh, dans un contexte où les attaques armées sont de plus en plus fréquentes sur le territoire du Niger Oui, j'aimerais d'abord, de prime abord, dire que l'état d'urgence n'est jamais une mesure de gaieté de cœur. C'est-à-dire que c'est un sacrifice l'État décide de faire, on sait très bien les conséquences sur le plan économique, sur le plan du vécu des populations, n'est-ce pas Sur le plan des activités. Mais le but de l'état de d'urgence, c'est quoi C'est de réduire l'impact de l'insécurité, c'est-à-dire que réduire les attaques. Parce que c'est vrai, malgré l'État, la sécurité totale n'existe pas. On le voit ce qui se passe en Europe, malgré tout ce qu'ils ont comme armement, comme service de renseignement, en France, à Strasbourg, aux États-Unis, etc., etc. Il y a tout... Parce que la sécurité totale est une utopie, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a mis l'état d'urgence, il n'y aurait pas d'attaque, non. Mais on réduit les attaques. Parce que le fait même d'interdire la circulation des motos a réduit beaucoup les attaques. Vous savez, une analyse récente qui a été faite par le service de renseignement a montré que les groupes terroristes ont décidé de ne plus évoluer, en tout cas pour la zone de Tilaberi, sur des, véhicules 4x4. Pourquoi Parce que ces véhicules 4x4 sont facilement repérables. Alors les attaques se font à moto. Vous comprenez Et donc, moi, je pense que c'est des mesures qui sont nécessaires. Parce que si sans état d'urgence, il y a 10 morts, avec euh, l'état d'urgence, il va y avoir 5 morts. Mais ça ne veut pas dire que les attaques vont finir, c'est clair et net. Donc, je pense que c'est des mesures douloureuses. On connaît les conséquences économiques au niveau des populations. Trouver une solution qui puisse alléger le souffrance de la population, ce serait bien. Mais je pense qu'il y a des mesures qui sont extrêmement nécessaires. À l'heure actuelle où les terroristes évoluent sur des motos, ce serait suicidaire sous le prétexte que les jeunes utilisent les motos pour avancer les expectatives économiques, d'interdire ou d'autoriser la circulation des motos. Je pense que ce serait un suicide. Ce d'autant plus que la certains jeunes de la ville, pour ceux qui du DIFA, ont région Boko Haram. Et donc, je pense que ce serait dangereux de ramener la circulation des motos à Difa. Je vous assure, si aujourd'hui le gouvernement décide qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, dans la ville de Difa, les motos peuvent circuler. Je vous assure que vous allez voir les conséquences. Je que la, demande, c'est euh, les motos. Non, non moi, je vois, moi, je parle. L'état d'urgence. L'état La circulation je comprends bien. Sur non, je comprends bien. Il y a d'autres mesures. Voilà. Non, mais l'état d'urgence, c'est un ensemble de mesures. Moi, je suis d'accord qu'on puisse alléger, mais il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. Parce que tout à l'heure, Abba a dit que oui, oui, c'est la plupart des jeunes qui utilisent les motos pour. J'ai dit non. J'ai dit non, les motos, je pense que c'est une mesure qui a été salutaire, qui a montré ses preuves, qui a fait ses preuves et qui a montré des résultats tangibles. Maintenant, sur le plan je vois les syndicats effectivement en train de s'agiter pour dire que le président n'a pas évoqué la question de l'éducation, il n'a pas évoqué la question de la santé. Il ne faut pas faire de confusion. Hein. Ce n'est pas le discours de l'an 2 du président ou de l'an 3 du président. Ah non Ce n'est pas le discours bilan d'une gestion d'une année. Non c'est un message à la nation. Et vous avez vu, la part belle a été faite au de Et surtout Zender. Zender a occupé presque les, les un tiers du discours les investissements qui ont, été faits entre 2016 et 2018, plus de 83 milliards, vous comprenez Et les investissements qui vont se poursuivre dans les prochaines années. Et les fêtes qui vont venir, l'impact que ça a sur le plan économique, ce qui a comme réalisation. C'est ça le but. Mais ce n'est pas un discours bilan de l'an 2 ou de l'an 3. C'est dans le discours bilan de l'an 2, de l'an 2 du président que le président va toucher tous les secteurs sociaux. Non, vous savez, il faut que je parle. <laughs> non, vous les avez laissés longtemps parler. Moi, j'ai pas. vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, laissez-moi au moins avoir le même temps de parole qu'eux. voilà, donc ce que j'ai dit, c'est que c'est extrêmement important. Moi, je comprends l'agitation des syndicats, n'est-ce pas C'est légitime parce qu'ils se sentent, ils se disent qu'ils sont lésés. Mais non, ils ne sont pas lésés. Lui, il a bien fait, eh, de rappeler que, en même temps que les syndicats de, de, de la santé sont en train de s'agiter, en même temps, le gouvernement est en train de déployer des efforts, n'est-ce pas, pour régler les crises qui sont en train de, se couver. Et la preuve, c'est que des protocoles d'accord sont signés. Donc, ce n'est pas je pense que s'agiter pour un discours du Koubi, on n'a pas parlé de nous comme une, une, une, à qui on n'a pas fait de compliments, je trouve que c'est vraiment ridicule quand même. Hassan Boukar, rapidement, en 10 secondes. Ce que je veux dire sur l'état d'urgence, l'état d'urgence, c'est une mesure. Lorsque vous prenez l'état d'urgence, Maintenant, vous choisissez les types de, le contenu que vous le donnez, en dehors de la dimension juridique de l'état d'urgence. Le gouvernement a choisi les motos, on peut comprendre, puisqu'il considère que les gens de Boko Haram utilisent ces motos, et donc en interdisant, on réduit déjà leur capacité, mais à d'autres mesures, sur les cultures, sur la pêche dans cette région-là. Quand vous faites ça, c'est que pour des années, vous livrez la vie des populations aux ONG. Si vous ne faites aucune activité, ça veut dire que vous êtes soumis au bon vouloir des ONG qui vont venir. Et donc, c'est une dépendance que vous créez. On n'a pas mesuré l'impact que ça peut avoir sur les populations locales. Dendoua, oui, 10 sur une partie de ce que Gary dit, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, ce n'est pas un bilan, mais lorsqu'on fait. Normalement, ça doit être un, euh, être un bilan. Lorsqu'on fait le message à la nation du 18 décembre, déjà qu'on est à 60 ans, ça doit être un bilan. C'est vrai que le président a consacré la majeure partie de son discours à, à Zender et à ce qui va se passer, mais quand il y a des priorités, on les touche. Si on n'a pas touché, par exemple, la santé et l'éducation, ce qui, quelque part, ce n'est pas la priorité des priorités. Les secteurs sociaux de base. Et c'est normal que les syndicats, n'est pas qu'il s'agit, c'est normal. C'est pour ça que quand vous voyez en Europe, lorsqu'il y a un message à la nation, on, on, on, part chez les, les, les, les, opposants, on part chez les syndicats, la presse est derrière eux. Dès que le président parle, eux, ils touchent ce qui les concerne. C'est normal, je ne pense, je pense pas qu'ils s'agissent, mais je pense que c'est normal qu'ils disent que le président ne les a pas considérés dans ce discours, dans ce message à la nation. 10 euh, secondes, toi aussi. ce que je veux dire, c'est que c'est pas, euh, euh, c'est pas parce c'est pas un manque de considération. La considération, c'est quoi Qu'est-ce que l'État fait pour le secteur de Qu'est-ce qu'il fait pour le secteur de la santé C'est ce qui est le plus important. Pas tout simplement un discours où on va vous jeter les fleurs, non. Autre aspect du discours du président de la République, euh, c'est le dialogue politique et les élections à venir. Le chef de l'État a déclaré, et je cite, J'attache tant d'importance à l'organisation consensuelle inclusive et transparente à des prochaines élections qui permettront euh, pour la première fois dans l'histoire de notre pays à un euh, président démocratiquement élu de passer pacifiquement le témoin à un autre. Le président a par ailleurs invité tous les acteurs à poursuivre le dialogue inclusif dans l'intérêt du peuple nigérien en l'écoutant. C'est le lieu d'encourager les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition et des non-affiliés à poursuivre les échanges qu'ils ont entamés dans un esprit de dialogue constructif dans le cadre du Conseil national de dialogue politique. Les premiers résultats issus de leurs discussions sur le code électoral et le fonctionnement du CNDP sont encourageants. Je veux croire que ces discussions augurent d'un apaisement au sein de la classe politique. J'invite alors tous les acteurs à poursuivre ce dialogue inclusif dans l'intérêt du peuple nigérien. J'engage la Commission électorale nationale indépendante pour que les différentes échéances soient tenues à temps et que ces consultations soient faites en toute transparence. J'engage le gouvernement à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI afin que la tradition d'organisation d'élections pluralistes et libres que le monde entier nous reconnaît soit cette fois encore observée au Niger. Pour l'opposition politique, ce message euh, du discours est destiné à la consommation extérieure. C'est du moins ce que Mamana Sani Adamou, euh, porte-parole du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, a déclaré au micro de Habibou Garba. Ces propos du chef de l'État sont à consommation extérieure. Il ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à l'extérieur pour dire qu'il fait des efforts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons eu à dire par rapport aux raisons qui nous ont amenés à quitter le comité ad hoc qui n'est pas encore la reprise du dialogue au CNDP, c'est deux choses différentes. D'un côté, on encourage le Premier ministre à nous servir euh, un discours euh, de bonne volonté, de recherche de dialogue, de consultation, et de l'autre côté, il y a un ministre de l'Intérieur qui joue une autre partition. Donc c'est un jeu qui dénote qu'il n'y a aucune volonté de discussion. Ce n'est pas une question d'information, c'est une volonté. Et euh, nous, nous continuerons à nous mobiliser et à nous battre pour imposer les conditions minimales d'une élection crédible, transparente, inclusive. Hassan Boukar, quel commentaire après avoir écouté ces deux déclarations Oh, je pense que la question des élections est une question importante. Le président a réitéré quelque chose qu'il a déjà dit. Euh, c'est de dire que lui n'est pas dans le jeu. Donc, euh, pour la première fois en tant que président élu, il va euh, passer les témoins. il va passer les témoins à notre président. Oui, c'est important. Par contre, quand il parle euh, de, dialogue, moi je ne sais pas si ce dialogue-là existe vraiment entre l'opposition et la majorité. Il y a eu quelques tentatives de discussion, mais ça a buté tout de suite sur des enjeux et je ne pense pas que ça a vraiment pu avancer. Euh, quand il parle aussi de tradition d'élection qui nous a reconnue par le monde entier, je pense qu'il va très vite en besoin Les dernières élections, je pense que même des partenaires euh, d'habitude des diplomates qui parlent avec, important euh, dégâts et tout ça, les gens quand même euh, se sont beaucoup interrogés sur les, les, dernières élections qui sont passées dans notre Vous faites allusion aux élections de 2016 je fais, allusion aux élections de 2016. Et donc, je pense qu'il faut peut-être tirer les leçons de ces élections passées pour que les élections à venir soient effectivement de bonnes élections et que ce soit reconnu d'abord par les Nigériens, puis par, par, par l'extérieur. Je pense que ça concerne d'abord les Nigériens, les élections, et euh, je pense que euh, même s'il le qu'aujourd'hui ça concerne beaucoup plus euh, ceux qui vont compétir, il a un rôle à jouer. en 2016, il avait dit que, si les élections se passaient mal, ce serait sa propre responsabilité. Je pense que les élections se sont mal passées. Il doit maintenant travailler de façon à, s'il part, qu'il puisse vraiment laisser des bonnes élections et qu'il puisse laisser de très bons souvenirs avec des bonnes élections dans ce pays. Mais tel que ça se passe euh, actuellement, moi, ça me Donc, euh, Hassan Boukar, vous êtes du même avis que le porte-parole euh, de l'opposition politique qui déclare que ce message est destiné à la consommation extérieure je considère, moi, en ce qui me concerne, qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être analysées, des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec ce que dit le président. Donc, je considère quand même que la question des élections, est une question importante. Il doit travailler de façon à rapprocher les points de vue de l'opposition et de la majorité pour qu'on puisse aller vers des élections euh, consensuelles. S'il n'y a pas une démarche consensuelle pour aller vers des élections apaisées, eh bien, c'est tout le monde qui porte les conséquences, donc euh, qui, supporte les conséquences. Moi, pour moi, l'essentiel, c'est surtout d'aller vers ces élections-là. Rufai Dandoua, le président a parlé avec assurance et l'opposition apparemment ne veut pas revenir sur la table du dialogue. Comment voyez-vous le circulement avec euh, des élections en vue Je pense que le fait que le président ne soit plus candidat, qu'il ne soit plus dans l'arène politique et qu'il soit aujourd'hui au-dessus de la mêlée doit faire en sorte qu'il soit euh, comment dire, euh, qu'il soit presque le père. C'est là où il doit prendre l'habit du père de la nation. Aujourd'hui, le fait qu'il ne soit pas candidat peut faire de lui eh, l'arbitre. C'est vrai qu'il dit. Eh, Donc, selon vous, il, a un rôle à jouer C'est même aujourd'hui qu'il a un grand rôle à jouer puisqu'il n'est plus candidat. C'est vrai, on va dire qu'il est, est, qu'il est, issu d'un parti politique qu'il a amené au pouvoir, c'est normal. Mais lorsqu'il va quitter, on, va faire de lui peut-être le, président d'honneur du parti, mais c'est le père de la nation. Aujourd'hui, le président, comme l'a dit par exemple, je ne sais pas si, si, si Sani Adamou l'a bien dit, il peut aujourd'hui appeler eh, les différentes parties en tant qu'arbitre pour leur faire comprendre que c'est l'avenir de la nation qui est en jeu, c'est l'avenir de la démocratie du Niger qui, qui, qui, est en jeu. Comme l'a dit la dernière fois, les élections euh, de 2016, oui, beaucoup de, gens l'avaient dit, il y avait eu beaucoup de choses qui n'étaient pas clean. Aujourd'hui, il peut dire aux gens, regardez, c'est l'avenir de notre démocratie qui est en jeu. Revenez à la table des négociations. Maintenant, quitte aux uns et aux autres de faire de, comment s'appelle de consensus voilà euh, d'avoir un consensus de faire des concessions c'est ce que je voulais dire pour qu'il puisse y avoir un consensus afin qu'on ait à des élections très libres pour que demain encore qu'on dise que en quittant le pouvoir le président a laissé eh, un régime eh, qui a été bien élu par le peuple nigérien, pas un régime qui sera contesté et qui lui sera étiqueté comme étant à la base eh, d'avoir organisé de mauvaises élections. Je pense qu'aujourd'hui encore, il a un rôle éminemment important à jouer eh, dans les prochaines élections. C'est facile de dire je, donne l'ordre au, gouvernement de faire ci, de faire ça, mais je pense que c'est comme ce qu'il disait dans son discours sur la sécurité. Je pense que le président doit être pragmatique dans tout ce qu'il fait. Il doit, eh, plus joindre l'acte à la parole, c'est ce que j'allais dire, que vraiment de faire des discours qui ne sont jamais suivis d'effet. Gary Amadou, un dialogue euh, inclusif euh, dans l'intérêt du peuple nigérien, est-il vraiment possible d'espérer une entente oui, mais le dialogue se fait à deux. Il y a deux camps. Si l'autre refuse de dialoguer, mais c'est fini. Vous savez, il y a la, démocratie là où elle est magnifique. Ce que vous avez le droit de boycotter. Est-ce que vous comprenez Les élections de 2016 là, mais qui les conteste C'est ceux qui ont perdu. C'est ceux qui ont appelé leurs militants à ne pas voter. Qui ont dit... Non, non, non, attendez s'il vous plaît. Les États-Unis étaient à l'investiture du président. Les Nations Unies étaient à l'investiture du président. L'OIA, par principe, la CDAO. Non, ce n'est pas par principe. Les États-Unis écoutez, ne pas dit que les élections se sont bien passées. Écoutez, laissez, je vous ai parler. Laissez, Moi, je veux bien qu'on dise que euh, euh, qu'on dise que oui, oui. non, la communauté internationale était à l'investiture du président de la République, parce que la communauté internationale est consciente que l'opposition a appelé à boycotter. Et donc, on suppose que ce sont les partisans du président qui sont partis voter. Et c'est ça la beauté de la démocratie. tu as que tu n'es pas obligé de participer au vote. Tu peux ne pas aller. Tu, eh, tu es candidat, tu peux dire non, non, tu appelles ces militants à ne pas voter. C'est magnifique, c'est là, c'est ça qui fait cette beauté, de la démocratie. Aujourd'hui, le CNDP, il marche, mais pratiquement avec un pied cassé. Et pourquoi Parce que l'opposition a boycotté le CNDP pendant combien d'années N'est-ce pas La dernière fois, ils sont revenus, on a dit on crée un comité pour essayer de discuter sur le code électoral. Déjà, quand ils sont venus, j'ai dit non, moi, j'ai dit ça à un débat, j'ai dit non, ils sont venus avec des consignes très fermes. Quand vous voyez le principal parti de l'opposition venir au niveau du CNDP, rentrer dans ce comité, c'est qu'il y a un mot d'ordre. Et les gens ont vu le fameux article qui pourrait, n'est-ce pas Vous faites allusion à l'article 8. L'article 8 qui pourrait disqualifier. Du code électoral. qui pourrait disqualifier leur champion. C'était ça qui était, leur argument de force. Pourquoi je le dis Parce qu'aux dernières informations que nous avons, les autres articles concernant la composition de la CENI, la composition du bureau de vote, les choses sont en train de bouger. Parce qu'apparemment, il y a une sorte d'entente pour pouvoir élargir la composition de la CENI qui est d'amener ses membres vers 17. Il y a plusieurs propositions, 25, etc. etc. Tout ça, c'est possible. Mais vous avez des gens qui, alors que sur la base du principe de la mise en place de ce comité-là. Il a été bien dit que le comité fait des propositions qui sont données au niveau de la plénière. Elle fait des propositions, elle ne décide pas. Non, non, parce que les gens ne sont pas contents au sein du comité. Ils disent non, non, non, nous ne sommes pas d'accord. On ne veut même pas que ça aille au comité, nous on sort. Mais non, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Et je veux vous dire, les élections les, plus, les meilleures, ce sont les élections où toutes les parties participent. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à participer aux élections. Il est libre, c'est la démocratie. Aujourd'hui, si l'opposition en 2021 dit à ses militants de ne pas partir voter, franchement, ils ont le droit. Mais ils vont se mordre le droit après. Hassan Boukar, vous avez quelque chose à ajouter rapidement euh, Oui, oui, euh, peut-être que je n'ai pas euh, la même conception de la beauté de la démocratie que Garé. Lorsque vous engagez une course avec quelqu'un, vous débrouillez à l'attacher pour être sûr que vous êtes seul au départ, vous êtes sûr d'être euh, seul à l'arrivée. Alors, euh, la beauté de la démocratie, je ne la vis pas de cette façon-là. Donc, on n'a pas la même conception. Maintenant, sur le sur le sur, sur euh, l'opposition et, la majorité, moi, je pense que c'est une question de rapport de force. Hein, l'opposition, pour qu'elle arrive à avoir gain de cause sur les questions qu'elle a mises sur la table, il faut qu'elle prouve qu'elle a les moyens de les obtenir. Ça va être un vrai, une vraie question de rapport de force. Cet article 8-là, s'ils veulent le modifier, ça va être une vraie question de rapport de force. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas l'énergie euh, pour euh, imposer au gouvernement le changement, je pense que cet article-là va rester. Et donc, de ce point de vue, je ne sais pas s'il aura dans ta Moi, je ne crois rapidement. c'est la même chose quand elle dit euh, que euh, dans, les négociations, quand vous venez avec des consignes, la majorité aussi vient avec des consignes. Donc tout le monde vient avec des consignes et c'est ça, c'est tout à fait normal et logique que vous veniez avec les, les, ce que vous disent vos, supérieurs. C'est vrai que l'article 8, c'est vraiment, ça va être très difficile comme l'a dit Abba, mais quand, quand il y a des négociations encore, il faut qu'il y ait... Euh, des concessions de, de part il faut qu'il y ait de la bonne foi. C'est peut-être ce que pense que euh, pense l'opposition. Euh, la majorité n'a pas cette bonne foi quand on vient aux négociations. C'est ce que je pense. Euh, vous avez épousé vos, votre temps. de 5 secondes. Voilà, voilà, allez-y. vous savez aussi, l'une des beautés de la démocratie, c'est que la minorité peut soulever de la poussière, mais elle ne peut, pas elle peut faire une tempête. C'est-à-dire, elle ne peut pas imposer à la majorité. Non. C'est un principe du rapport de force très simple. Abba l'a rappelé. C'est un rapport de force très simple. La majorité, la minorité ne peut pas tenir en otage le processus électoral et imposer son des Ça ça ne peut pas se faire. Et encore, si chacun vient avec des consignes, c'est normal, mais vous ne pouvez pas venir mordicus tenir sur une position, dire que si on ne modifie pas l'article 8, parce que c'est ça qu'il s'agit en réalité, on raconte des histoires aux gens, on lit l'article 82, etc., etc. En réalité, les gens ont quitté la table de négociation parce qu'à cause de l'article 8. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était mardi à Zander où il a assisté en début d'après-midi au grand défilé civil et militaire. Euh, c'était en présence de ses homologues du Togo, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Gary Amadou, vous étiez à Zender, mais aussi à Tawa l'an dernier pour le même événement. Quelle comparaison pourrait-on faire oui, toutes les deux fêtes ont été, belles, euh, mais la fête de Zender m'a particulièrement étonné parce que... Les gens étonné comment Les gens s'attendaient à ce que Zender, c'est quand même un coin un peu chaud chaud, donc euh, <laughs> on s'attendait à des débordements, mais vraiment les gens étaient surpris. apparemment, euh, la sensibilisation a marché, le sultan, les mots d'ordre du sultan, la population, et surtout les réalisations. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez à Zender, je vous assure que c'est extrêmement. C'est magnifique ce que vous allez voir. La ville a complètement changé. Des grandes routes, des autoroutes. Et quand vous savez qu'il y a, y, y a, trois choses qui ont, qui ont changé au niveau de Zender, le problème d'eau. Parce qu'avant, quand vous venez à Zender, c'est vraiment des, des que vous voyez tout le temps. Vous ne pouvez pas voir ça maintenant. Les routes qui sont complètement retapées, des, des infrastructures qui sont construites et ce sont des infrastructures de, très bonne qualité De très bonne qualité. Et le marché de Zender, je vous assure. Le, marché, c'est avant Zender, ça boit. Soit. Non, je vous parle de, de, ce qui fait que la fête a été belle. Ce que la population, aujourd'hui, est en face. La population reconnaît ce qui est fait. Et donc, le marché, là, il est le plus beau. Les gens disent de l'Afrique de l'Est. Parce qu'il est le plus beau que le, marché de Niamey, il est le plus beau que le marché de Maradi. Si les gens disent que en Afrique de l'Est, il n'y pas. Bon, j'ai pas fait tous les pays d'Afrique de l'Est, mais ce que j'ai vu, effectivement, j'ai pas vu de comparaison. Et donc, la population aujourd'hui, il y a une sorte de mentalité qui est en train de changer, puisque la ville est en train de changer. On voit les investissements, on voit le quotidien des gens qui, est en train de changer. On se dit, bon, cette fois-ci, le, caractère dont on nous affuble, là, on dit que oh, nous sommes des acariâtres, nous sommes des gens qui ne sont jamais contents. Non, on va exprimer notre, euh, notre, notre joie. Et je vous assure, lors du défilé, c'était pratiquement des applaudissements. comparé à Tawa Sakola Non, Tawa. Tawa, c'était le top. c'était le. C'est vraiment. On peut dire que c'est sur le plan du défilé, sur le plan euh, euh, vraiment de la ferveur, Tawa, c'était le top du top. Vous comprenez Les gens vont dire ah, En, termes de réalisation Non, en termes de réalisation, je crois que chaque région a eu son, son quota. Vous savez, Zender, c'est quand même l'ancienne capitale. C'est pas une ville. Euh, oui, il y, a des bâtisses coloniales qui existaient. Mais, à, il y a des mécontentements jusqu'à présent, euh, des, propriétaires terriens qui n'ont pas été dédommagés jusqu'à ce jour. Ça ça, ça existe. Même au niveau de Dosso, c'est sûr que ça existe. Vous comprenez Vous savez, un pays. À Maradi, il y a des chantiers qui n'ont pas jusque-là euh, achevé. Non, un pays, c'est quoi C'est non seulement les problèmes, mais aussi les solutions. C'est l'ensemble qui fait la gestion. Vous comprenez Mais un pays sans problème, ça n'existe pas. Et donc, au niveau des régions, au niveau de toutes les fêtes tournées, vous allez trouver des problèmes. Soit des commerçants donc, qui n'ont pas eu euh, le, le, reliquat de leur, euh, comment on appelle ça là, de, leur marché, etc., etc. Vous allez voir beaucoup de problèmes. Mais l'essentiel, c'est que la population soit en phase avec l'événement. Rufai Dandoua, vous étiez aussi à Zender. Quel constat avez-vous fait, euh, bon ou mauvais Je pense quelque part qu'il faut dire que quelque chose a été fait mais pas ce que les gens attendaient Attendez, pas ce que les gens disent. Ce n'est pas euh, Zender Sabois, non, non. Moi, euh, personnellement, je, je, suis, je suis de, de, Zender, je suis né à Zender, j'ai grandi à Zender. Peut-être que Gary a vu euh, la grande voix, peut-être qui est la, la, plus belle du Niger, ça je suis, je, je suis d'accord, qui a été euh, construite. Mais euh, s'il avait pris euh, d'autres routes de Zender, quand il prend, peut-être que ça va se faire après. La route, le président a parlé de ça, Tanout qui va, de Zender qui va attendre jusqu'à Agadez. Mhm. c'est C'est incroyable, tu as, tu as honte de dire que tu es dans la deuxième ville du pays. Et en dehors, par exemple, de la route là qui a été faite, la grande route où il y a le défilé a eu lieu et la route qui entre dans, dans de Zender, de Niamey à Zender, rien n'a été fini. La tribune officielle, l'aéroport. La, tribune n'a pas été n'est pas finie. On a fait de colmatage. Le, responsable a dit qu'il avait mis et, eh, comment s'appelle le toit dans un container eh, conteneur qui n'est pas encore arrivé. On a fait le colmatage pour que la fête ait lieu. Moi, j'ai été à la tribune, j'ai vu. le goudron, là, je, suis entièrement d'accord. C'est un très bon goudron. Ça, vraiment, ça, moi, ça m'a émerveillé. Mais en dehors de ça, aucune maison n'a été achevée. Donc, on ne peut pas me dire que Zender a été savoir. Et ce que dit Gary encore, quand il dit on avait pensé qu'il qu allait avoir des tensions, non. Je ne suis pas d'accord. C'est peut-être un cliché qu'il y avait toujours. Quand il y a il y avait, la première fête tournante qui a eu lieu au Niger, c'était à Zender. Il n'y avait pas eu ça autant de déjà Rappelez-vous, il n'y avait pas eu de soulèvement. On peut pas y avoir de soulèvement dans ce genre d'activité quand on sait que dès que tu rentres à Zender, tout ce que tu vois, c'est le déploiement incroyable de, de, forces de sécurité. Donc personne ne peut oser le faire. autre chose, quand il dit par exemple à Zender, dès que tu partais avant, aussi tu vois des charretiers et avec, non, ça encore, c'était des clichés. Moi, j'ai grandi à Zender. Il y a des moments. maintenant, l'eau est disponible à Zender, Il y a des moments de l'année où, quand tu pars, même ici à Niamey, quand tu viens, il y a des moments de l'année où il y, a, ce problème d'eau. C'est vrai. pratiquement dans beaucoup de quartiers. Oui, c'est vrai que Zender il y a, y a, cette tradition d'avoir un problème d'eau, mais ce n'est pas tel que les gens le disent. Et ce n'est pas aujourd'hui encore, même à l'heure actuelle, quand tu vas à un certain moment de l'année, en période où euh, euh, période de chaleur, tu vas trouver ce, ce, ce même problème. Donc, je pense qu'il ne faut pas diaboliser et il ne faut pas magnifier aussi les choses. Hassan Boukara, le président, a décoré deux anciennes comédiennes, Nana Aïcha Garba dite Delou ou Kara de Hadiza Garba dite mais aussi Aïcha Maki qui, qui, réalise des documentaires. Aussi, près de 50 milliards de francs CFA ont été investis pour changer l'image de Zander. Quel commentaire sur ces deux aspects rapidement Je pense que c'est une tradition. À l'occasion de la fête, il y a des personnes qui sont décorées. Euh, qu'il puisse euh, le faire pour Kara de euh, pour Debenya. Je pense que c'est bien mérité. C'est des personnes qui sont bien connues du public nigérien. Au moment où encore la télévision nationale a diffusé leurs œuvres, c'est le minimum qu'on puisse faire. Il faut quand même le, reconnaître. Et Chamaki, c'est bien. Elle est jeune. C'est donc quelqu'un qui fait aussi ses preuves dans le cinéma, ça, ça va l'encourager. Et je pense que c'est une bonne chose. Sur les investissements, d'abord, je fais le constat que, en fait, ce qu'on donne aux Nigériens, c'est le matériel, c'est de dire, on a fait des routes, on a fait, on ne dit pas comment on transforme la vie des gens, parce que faire euh, ces, ces, ces, ces infrastructures, c'est une chose. Transformer vraiment la vie des gens, c'est une autre. Quelquefois, faire le matériel, c'est peut-être le plus facile faire des routes, faire des infrastructures, c'est bien, euh, les gens en ont besoin, mais le plus important, c'est comment à partir de ça, on transforme la vie des gens. Et c'est pour ça que les questions d'éducation, de, santé, moi je pense que c'est Roufaï qui les a évoquées, c'est pour moi des questions extrêmement importantes. Alors, le président a peut-être dû répondre à beaucoup de commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur la comparaison entre Tawa et, Zander, et j'ai vu qu'il est allé euh, jusqu'à repêcher des dépenses de 2016, 2016, 2017, 2018, pour du voilà ce qui a été dépensé à Rwanda. Et donc, on est prisonnier finalement de ce, de de ce choix qui est fait, où on ne voit que les infrastructures. Et finalement, on réduit la démocratie un peu euh, à ce côté matériel. Et c'est ça qui fait que quelquefois, euh, comme Tanja l'a fait en son temps, c'est de dire euh, laissez-moi le temps, j'ai des chantiers. Finalement, on réduit un peu le rapport entre les dirigeants et les citoyens à ces infrastructures aussi important soit-elle pour moi, ça ne réduit pas les, attentes de la communauté à ça. Je pense qu'on peut faire aussi des choses beaucoup plus importantes pour la communauté. Gary Amadou, cette année, le marcheur de la paix est parti euh, de Niamey et arrivé à Zender le 16 décembre. Il n'a pas été vu pendant le défilé. A-t-il été <laughs> oublié oui, D'abord, avant que je. oui, rapidement. rapidement. d'aborder, oh, oh, oh. Euh, je comprends, euh, Rufai s'est senti blessé dans sa fierté de Zenderois. Mais moi, j'étais à Zender à l'immigration du marché on nous a jeté les cailloux. Et donc, moi, j'ai dit, cette fois-ci. Ah non, non, mais Non, c'était pas le J'ai dit des grandes actions. Non, attends, s'il te plaît. tu peux dire ce que tu veux, oh, mais moi, j'ai subi quand même des insultes. On nous a insultés, on a jeté des, pierres sur nous. Et donc, j'ai dit, cette fois-ci, ça s'est bien passé. C'est normal que je le dise. Et, le marché de la paix. non, attends, s'il te plaît. Il faut, qu'on évolue, le, on écoute le temps. tu peux avoir ton point de vue. Non, j'ai dit grande, euh, grande manifestation. Et j'ai dit, les problèmes d'eau, moi, je les ai vécus parce que j'ai fait pratiquement. Il y a des moments où j'ai fait un mois à J'ai vécu ces parce que toute la population. Parlons à présent du marché de la paix, Tu ne vas pas nier qu'il y avait des problèmes d'eau. Je n'ai pas nié. Eh ben donc, c'est ce qu'on dit. On dit que ce problème a été résolu. Maintenant, si tu penses que. Il n'a pas nié, Garé, il n'a pas nié. Donc, euh, la deuxième chose, les infrastructures, ça améliore la vie des populations. Maintenant, le maréchal qui n'est pas venu, moi, je pense que c'est le grand oublié, la manifestation. C'est vrai, parce que moi, hier, moi, quand tu me donnais les sujets, j'ai dit Ah, c'est vrai, il y avait un marcheur <laughs> qui a quitté Nyamé à pied. Ou bien il n'est pas arrivé. <laughs> Il est arrivé le 7 décembre. Ou bien il n'est pas arrivé. Ou bien il y a deux choses. Et dans l'organisation, peut-être il y a eu un couac. Parce que pour moi, un marcheur qui vient, on doit le présenter à la tribune. Uh-huh. Alors, a deux choses l'une. Soit dans le cadre de sa, de, de, de, de sa marche pour arriver à. Les gens ont détecté des, des, des, anomalies ou des tricheries. Parce que, bon, parfois, les gens, la nuit tombée, bon. On, range le drapeau et puis Bon, ça, non, c'est pas, non, je dis parfois, je dis, attention, je ne dis pas que lui, il l'a fait. Voilà, voilà, Attention, précise. Voilà, il faut préciser. bon, voilà, bon, peut-être que les gens ont eu des enfants, dit, ah non, non, non, mais nous, on l'a vu, il a pris un bus, il a pris. Peut-être, j'ai dit, hein. mais pour moi, s'il eh, si est venu à Zender, on devait le présenter. Mais on doit chercher, on va chercher à savoir ce qui s'est passé. Hassan Boukhara, <laughs> les festivités se sont déroulées en présence de trois chefs d'État invités, dont celui euh, du puissant voisin, le Nigeria. Euh, que faut-il comprendre sur le plan diplomatique Je pense que le président du Nigeria a rehaussé la cérémonie de sa présence. Les autres, ce n'est pas évident. <laughs> je pense que. Vous faites allusion au président togolais. Euh, Théodoro Obiang euh, euh, n'est pas un exemple de gouvernance en Afrique. Je pense que c'est quelqu'un qui a passé des décennies au pouvoir, un régime totalement exécrable. Je pense qu'il n'est pas un exemple. Sa présence, ce sont peut-être les nouveaux amis de notre président, mais je ne sais pas pourquoi il est fort. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui au Togo. ce n'est pas peut-être aussi un bon exemple, mais Buhari, pour moi, la, présence de Buhari a vraiment rehaussé la cérémonie et euh, c'est bien qu'il soit là pour le président nigérien qui, à chaque occasion, se déplace, chaque fois qu'il y a des cérémonies chez nos voisins. Peut-être qu'on aurait pu avoir plus, plus de... Bah, peut-être que c'est le nombre des invités les trois C'est possible. Mais en tout cas, pour moi, la présence de Buhari a rehaussé la cérémonie et c'est une bonne chose. Euh, Rufai Dandoua, les Indirois que vous avez rencontrés étaient contents des infrastructures réalisées Oui, euh, les gens étaient contents. Euh, vraiment, euh, tu n'as qu'à voir les gens <laughs> la nuit tombante. <laughs> non, je, pas, non, je, n'ai pas dit que. Sur l'emblématique rond-point qui a été. Je, n'ai pas dit que je ne suis pas content. Ah. Moi, je suis honnête. il n'a pas dit qu'il n'est pas content. en plus dire c'était pas à ah, la hauteur de ses ah, attentes. j'ai mal compris alors. Voilà. Voilà. Moi, j'ai passé chaque fois parce qu'on on avait fait beaucoup, beaucoup d'activités là-bas. Les gens sont très contents, surtout qu'ils viennent faire des photos, le monument qui a été fait au grand rond-point Elf euh, et aussi rond-point Tourne Poste. Euh, les gens vraiment été contents et surtout qu'ils sont qu'ils pense que, par exemple, la route, euh, puisque c'est ça, c'est un grand mécontentement, mais il pense que ça va se, se faire, puisque le président l'a évoqué dans son message à la nation, la route de Tarnout, parce que c'est vraiment eh, exécrable quand vous la voyez. Le président a parlé de ça. Mais moi, je, je, pense, euh, comme l'a dit Abba, euh, tu n'as qu'à voir les applaudissements quand Bouhari était venu comment les gens étaient contents. cest à que moi, personnellement, quand je vois Buhari, je vois à lui mon père. Et je pense que les gens pensent que Buhari, c'est leur père. Dès qu'ils l'ont vu, tout le monde était content. Même les, autres présidents, les autres ministres, tout le monde était content. Il a vraiment rehaussé eh, de sa présence cette cérémonie. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est le maître de cérémonie. Vraiment, peut-être qu'il faut changer cela. je pense que ce n'est pas bien. Euh, euh, euh on a, oh. je te pas cette occasion, ce sont près de 50 milliards de francs CFA euh, qui ont été investis euh, pour que Zander devienne euh, réellement sa boîte. Oui, c'est sûr. ce qui est bien, quand Barré, quand Garé parle de la beauté de la démocratie, c'est ça la beauté des fêtes tournantes, ce que ce n'est pas sur un mois, deux mois ou trois mois, c'est sur trois ans. Les 50 milliards qui ont été investis, il faut que les gens le comprennent. C'est pour ça qu'il y a des mécontentements aussi. Euh, quand on dit aux gens 50 milliards, ils pensent qu'on va les investir et, ça, et, les, infrastructures vont finir sur place. Non, c'est sur trois ans. Ça va se. voilà. Et, Mais on a, on a vu d'autres euh, régions. Euh, même, les ce, même ce matin, on m'a dit, par exemple, que eh, déjà le grand rond-point de, de la tribune a commencé et il y a un monsieur qui a été décoré. On m'a dit que c'est lui qui a presque financé eh, beaucoup de, de, chantiers qui ont été faits. celui qui a fait l'aéroport, celui, tous les ronds-points, celui qui a presque financé ça. C'est pour dire qu'il y a encore des gens qui sont prêts à, faire beaucoup de sacrifices. 10 secondes, 10 secondes. Rufai l'a déjà dit, c'est-à-dire que les investissements, c'est 3 ans. Et c'est pourquoi le président a parlé des routes. C'est-à-dire que mhm. d'ici les 3 ans, les routes là, parce qu'effectivement, il y a des routes complètement dégueulasses, euh, je les ai empruntés. Mais je pense que d'ici les trois ans, euh, ces, routes-là vont être réhabilitées. Nous sommes, nous, au terme, de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukardi Diaba de la radio alternative, Garé Amadou du quotidien La Nation, Rufai Dendoua, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum à ça et Balkis Hamidou pour le forum Anzarma. Merci, au revoir.